Le Bouba Diop aujourd'hui est, international. Je pense que c'était le premier buteur de la, euh, Coupe du Monde 2022, 2002, euh, euh, pardon, excusez-moi. Et ça, ce n'est pas à, négliger. Je me rappelle d'un garçon très serein, d'un garçon surtout d'une éducation extraordinaire. Voilà, un garçon qui écoutait beaucoup avant de parler. Euh, il était arrivé au sein d'un groupe euh, qui était déjà constitué, une équipe qui était déjà constituée, qui était capable de jouer un 4-4-2. Et dans ce 4-4-2-là, il y avait, Bouba, il euh, Salif Gao et, Papsar qui jouaient. Et je me rappelle, demi-finale de, Coupe d'Afrique des Nations à Bamako, match très difficile contre le Nigeria. Le garçon était, était venu, était venu remplacer Papsar qui avait pris un carton rouge. Et croyez-moi, il n'a il a été courageux, il n'a pas eu peur, il s'est comporté comme un véritable lion malgré son, jeune âge. Et depuis ce jour-là, j'ai envie de dire qu'il n'a pas quitté l'équipe. À la Coupe du Monde, il, est continué, il a continué dans cette, cet là Un garçon capable d'allier la puissance et l'affinité. Aujourd'hui, si je devais le comparer, je pense que je le comparais surtout à un style de, joueur comme, euh, comme, Progba, euh, mais un peu plus puissant. Mais nous avons, vraiment une pensée très forte. Euh, aujourd'hui, donc, vous êtes le sélectionneur national. Alors, l'invité est la Diouf, une canne pour mieux perpétuer sa mémoire perpétuer la mémoire de tous nos, tous nos, tous les gens qui nous ont, qui nous ont quittés. C'est vrai qu'aujourd'hui Bouba c'est plus d'actualité, mais au-delà de, ça, bien sûr que nous sommes conscients que euh, que gagner cette Coupe d'Afrique-là est, très important pour, pour, nous d'abord, pour le peuple sénégalais. Donc euh, nous, y travaillons. Je pense que le Sénégal n'a jamais été aussi loin euh, de gagner une Coupe d'Afrique. Maintenant, je pense que c'est l'union des cœurs. Demander à tous les gens de prier pour cette équipe-là, l'accompagner, le pousser euh, pour aller justement aller gagner la, Coupe d'Afrique, Inch'Allah, au, Cameroun. Nous, en avons le potentiel, nous en avons les moyens. Maintenant, nous, nous demandons les prières aussi à tout le peuple sénégalais waaw comme hommage la ko ñëpp jox rek foog naa tey Bouba mën wax que de 2001 ba 2005 wala 2006 j'ai joué avec lui c'était compère son ben compère le woon ci ci digg bi boo xam ñu ko doon composé maak moom ak ak ak Salif Diawo euh, di sigil ndigaale ay ay waa waa këram di sigil ndigaale soxnam di sigil ndigaale ay doomam di ñaan yàlla na ko yàlla xaaree ci Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laaj euh, El Hadj Diouf euh, si discours am dafa wax ne pourquoi pas bi yoon Sénégal gagner Coupe d'Afrique pour gën a mën a màggal ñi nga xam ne ci am ci Fabio Diop. waaw wax dëgg tamit euh, bokk na si objectif gagner gagner Coupe d'Afrique bi pour Bouba Diop mais pour tamit peuple peuple sénégalais bi 2002 ne bu ñu ni que c'est vrai que Bouba moo ñu quitter a quitté mais Jules François Bocandé bokkoon na si Bruno Metsu ñoom ñëpp vraiment yal nañu yàlla jàppale ba vraiment l'Union ñu nekk di wër nii muy Coupe d'Afrique nañ ko yalla indil au nom de tous ces tous ces gens qui ont tant donné pour l'équipe nationale que tey nekkatuñu fi.